29 décembre 2023, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur notre émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h à Niamey et partout au Niger. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, j'ai mon binôme de la semaine, Rabia Mekano. Ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Habiba, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Alors, mets-nous au parfum du programme du jour. Pour ce dernier numéro de l'année, nous débarquons avec le flash d'informations comme toujours. Les vendredis, nous vous proposons des rubriques hebdomadaires, l'une consacrée à l'entrepreneuriat et l'autre à la revue de la presse. En écho des régions, nous resterons à Niamey et nous avons préparé pour vous un bêtisier de nos journalistes. Et notre rubrique Entretien du jour porte sur l'historique de la chefferie du canton d'Ilela Oumani, situé dans le département d'Ilela, région de Tawa. Ça sera dans un entretien avec Alhaji Zanedou Aliou, représentant du chef des cantons. Installez-vous confortablement pour savourer cette émission. Chers auditeurs, suivons le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Rabi, bonjour euh, Habiba. Bonjour Mokhtar, quelles sont les nouvelles ce matin Le flash d'information à présent dans le cadre de la poursuite euh, des combats interrégions pour la sixième journée hier. les régions de Maradi et d'Osso ont perdu chacune un lutteur invaincu des deux qu'elles avaient lors de la journée précédente. Ainsi, Maradi a été battu par Agadez sur le score de 5 à 4 avec un match nul, vu perdre Bello Ila terrassé par l'expérimenté Rabi Abdou Di Kankoura d'Agadez. Dosso, malgré sa large victoire face à Tilaberi, a perdu Ali Saini, battu par Salah Maman de Tilaberi, très technique et athlétique. Dans la matinée, Tawa a légèrement dominé l'équipe de Zander, 5 victoires à 4 et un match nul. Pour la sixième journée, on note seulement 12 lutteurs à l'IS pour arracher le titre du roi des arènes du Niger édition 2023. À compter du 1er janvier 2024, la Nigérienne des eaux prendra le relais de la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN. Elle va assurer l'exploitation, la production et la distribution de l'eau potable dans tous les centres urbains et semi-urbains, a déclaré hier le ministre de l'Hydraulique, le colonel, le colonel Maizama Abdullahi. Après plus de 22 ans de partenariat, le gouvernement a décidé de mettre fin au contrat d'affermage et de créer une société d'État. La Nigérienne des eaux a déclaré le ministre devant les responsables et membres des syndicats des agents de toute la nouvelle, de la toute nouvelle société nationale. La Chambre de commerce d'industrie du Niger a, dans un communiqué publié hier jeudi, invité les opérateurs économiques du Niger à continuer à utiliser les ports et corridors qui ont continué à desservir le pays malgré les sanctions de, la CDAO et de l'UMOA. Cette demande intervient 24 heures après l'annonce par les autorités portières du Bénin de la levée des sanctions relatives à l'importation des marchandises à destination du Niger via le port de Cotonou. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 29 décembre 2023. Merci Mokhtar pour ce dernier flash de 2023. On se donne rendez-vous en 2024 pour d'autres flashs d'informations. Bonne journée et très bonne année à toi. Au revoir, bonne journée, bonne année à toutes et à tous. À l'année la, à prochaine. <laughs> voilà, à l'année prochaine. Merci. À titre de rappel, nous suivrons un entretien sur l'historique du canton d'Ilela, région de Tawa. Mais d'avant, on va se détendre en musique avec le titre Aïsiba Bora du groupe Kairangaskia. Avant d'écouter l'interview, top, c'est parti. J'ai tout ay na yow fo kaxum ka yewo a kaani maaga ala ka irima kubeeni mat kanna ima or ma wala or kul maxay kee gok ne alwaso kan gena beeri cer ba de cin se kan alferno alferno emo alferno nirmi ijonnoor kono se cer cende hali de di cɛ rɛ tɔ amsamtila sɔn mɛ Ay, sí, va. watakoi aiwe ndivo vakoi aigadai the haiga konzo aikaimino haigambakulmanino moda zangu barma sungo kule kan winya norota aisi babora aiga warai hige noru mabuha bora mati bawadin nega ngwarai zamba zango bakam fondo mati din, aine hade si babora ibilisi makamba nyumbora yando aisi babora aiga warai hige gora du sei mawa desi bai si ba aine hade si babora nega dibase no gadangara you nega babora tapi nega dara siru window me ai wa ma wa sirai sima bai babora ai ga mo hau ga turu ga dan bonyalandi hawaye na norota badai kai si be gyase yarin ga si mora nya wala baba masai dole ka bakir bine ba sai mai hege baka e bine ba dole dole hege lokacin manne ba ki dai lokacin no kaka yole vaccine winde ga turi ya no we na masada masaje kwata tale da we no ma yulwa ka pandisi hege kasin da su ba ka panda bukin tare da pando boyen gan dole dole hege man beke ke Kaidan signifie agir avec la vérité, autrement dit respecter les règles de vérité. À la base, ce groupe est composé de des rappeurs Fenobi, Peto et de trois danseurs. Le groupe s'inspire de mélodies ancestrales et de jeux dans ses compositions musicales. Dans ses chansons, il évoque les problèmes économiques et politiques, la liberté d'expression, l'enfant de la rue, la place de la femme dans la société, les maladies comme le sida, le fifty. Après Peto, s'en est allé aux États-Unis et le groupe a été renforcé par l'arrivée de la voix d'or que vous entendez en ce moment de Castro, le danseur hors pair, une renaissance du groupe qui revient avec une nouvelle nomination, Kaidangaskia 2. Nous avons en mémoire quelques-uns de leurs titres comme Windy Windy What If. Mais dans les titres, ce Bora, traduit par Je ne l'aime pas, chante le refus d'une jeune fille d'épouser l'homme fortuné du village qui lui impose ses parents. Un titre qui met à lumière les désarrois d'une jeune fille face au mariage forcé, une pratique encore présente dans certaines localités du Niger.

on revient au studio. On espère que vous avez kiffé ce son, que vous avez dansé avec nous. Ce titre, c'est clairement euh, l'hymne de la résistance face au mariage forcé. Ben, voilà, nous allons continuer avec notre entretien du jour qui a été réalisé par Moutari Mahamadou sur l'historique du canton d'Ilela avec El Haj Zainadou Aliou. Il est le représentant du chef de canton ou le bagagé de la chefferie. Voilà, top c'est parti. tarihin masarauta adar ina ta samu asali yaya hata zonan kuma ake kiran masarautar adar illela nan duka wanda ya ce maka ga inda iko shi kenan dubu inda iko shi ke da daraja ta da inda da ya taso agadis shi agabba na taso da agadis ya to da ne agabba lekan shi agabba dan sarkin agadis na dan saboda hitina ta zuwa an kai kara ana tambayar su wadda an ka su da cikin istanbul sun ka zaka nan sun ka zamana agadis kuma su ku da agadis nan ga mutane sun ka ji hitina kuma sun ka ce akwai maza masu agizan mu don allah ku to ku agije mu mun ka kwararo kwanta ya to tare da lisawan shi agabba tare da tabzamawa tare da gobirawa tare da makaɗa waɗanda su ke tare da su shi muna ce mai bani umayyata shi a gaba to kaji maza na wanda sun ka zama zari'a ce tun can istanbul mutane sun ka to hitinanni na kuma cikin hitina sun ka taso kuma ha inda yanzu maza akwai masu hitinsu mayaka ne har yanzu to shi abin da ya sa yanzu muka taso muka zaka nan ga adar inda ta rige ta jiɗa akwai wurin da muka ce ma birnin adar dan birnin ce na shi da sun kaɗan zamana nan sai mun ka tashi daga nan sai an ka an kaci kanta an ka bi kai ne kai ne yanzu haka shi na nan agadis hmm. ashe to kuma bancin haka nan shi uban ne ya ci sai ka koma can adar ka zamana kai hukun adar to ka ji abin da aka ce ma adar ya ce to ko yanzu ban ta ya sai ta da mutane na an ka ce akwai jisa wanda sun ka tosu akwai tabzaman da ka tosu akwai gubiran da ka tosu to ya ce su ka ka tahiya kai kana wurin ka ba su rakin ka ko ba gani ba sun ka tona suna yaƙi yaƙen su duk sun ka zo su yaƙi su kabe su sun ka yaƙi su kabe su inda sun ka yaƙi su kabe sun ka gasa duk ba su samu wurin da suka zama ba sai inda wani ba abu zini shi kuma da su hitina da nan sakarat sun ka kashe shi sannan kuma sun ka taso sun ka ce to yannan sakarat ba ta yi musu ba su zama ne ka gani su ka gani su ka ganin sai sai azzau da azzau sun ka zama nan suna nan zaman eh, cuɗayya dai ana yaƙe ta su zo su yi sun ka yaƙe ta su zo sai su ta yi wani biyu sai an kace masu tura sun shigo sai dangan sai dibi amana ya ce suna ta yace su amana sai shi na magana shi na ta nan babu inda za shi tsaya ba tsaya nan bai lera don sana lera babu ba a fara zama nan ba da inda an fara zama da ita ta dawa to sai nan ga sai shi zakanin babu wanda ya zaka sai yakuba yakuba shi ya taso da can shi ya zama ta da wane Azau. Mhm. tana ta yawa ko ba gane ba tsakanin mata so sun ka taso da can azau ya komo na nan ga ya biɗe eh, a sunan ga nan tsakar gida ya ce musu kuna son amana kuma ɗin ɗaya wagga rigar zama wagga Eh, na inda majiman nan su sun ka fara zamanan da su can ya taso ya shigo su sai komo nan inda mutanen waɗanga na tsaka gida su ko na tsaka gida sun ka to muna zama da kai amma sai mai ma wuri nan sanin nan daji na sun ka sun ka sara mai gida nan ya kewaye ya kewaye kai zama ya ce ya kaga gida nan sannan kuma ya yi rijiya nan ciki ya zama nan lahiya lahiya lahiya da tranquil sai mata ta an ka zuwa an ka ɗauko ta da azzau ta zakanan ta ce wai da mu lela hanguri shi yasa aka ce ma in lela sun wadaita da ɗan da sun liblaya shi ko nan da ya zama nan ga sun ka zamanto su ko duk ta taso ko yana ta zo su ka tarya Chers auditeurs, nous allons passer à la revue de la presse et vous revenez juste après. Notre collègue Nafissa Adamou est en place. Bonjour, bonjour Bonjour les dames, bonjour à tous et bienvenue dans cette euh, revue de presse. Alors, les derniers soldats français ont quitté le Niger, titre à la une le journal Air Info. En effet, Habiba, c'est le vendredi 22 décembre que le dernier contingent des 50 soldats français encore présents au Niger a quitté le pays, et ce, trois mois après le début du processus de leur désengagement. Selon les autorités nigériennes, durant ce processus, 145 vols ont été effectués, dont 123 vols cargo, 24 aéronefs désengagés et 15 convois terrestres effectués en direction du Tchad, rapporte la même source. Pour rappel, le départ des troupes françaises française du Niger a été annoncée en septembre dernier par le président français Emmanuel Macron, une décision intervenue après les pressions des populations nigériennes hostiles à la présence française au Niger. Ce départ intervient finalement pendant que la France a décidé de fermer son ambassade au Niger, conclut à Info. Autre actualité, c'est la révision des accords de défense. La présence des forces étrangères désormais encadrée par des textes, à souligne Actu Niger. Vendredi passé, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a adressé un courrier officiel aux missions diplomatiques accréditées au Niger. Les autorités nigériennes ont annoncé la révision des accords de coopération militaire avec tous les pays partenaires disposant des troupes stationnées dans le pays. Cette décision s'inscrit dans la nouvelle dynamique de l'affirmation de la souveraineté, de la sauvegarde de la patrie et de la défense des intérêts du Niger, entreprise par le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, poursuit le site d'information. Nafis à la 44e édition du Sabre national Agadez 2023, cérémonie officielle d'ouverture sous les colères du Tende et de Biano, nous informe l'agence nigérienne des presses. Et oui, selon l'ANP, c'est au rythme du Tandé, des danses et des prestations du Bianou, des troupes artistiques qu'ont débuté les festivités du sabre national à Agadez. Et pour cette 44e édition, 80 lutteurs sont engagés pour la course au sabre. Pour la sixième journée jouée hier jeudi, les régions de Maradi et d'Osso ont perdu chacune un lutteur invaincu des deux qu'elle avait précédemment. De la matinée, l'écurie de l'ADERS, à savoir le Tawa a légèrement dominé l'équipe du Damagaram Zender, 5 victoires à 4 et 1 combat nul. Niamey a fait un score final de 7-2 et 1 nul face à la région de Difa. Pour la sixième journée, seulement 12 lutteurs sont en liste pour arracher le titre du roi des arènes du Niger, édition 2023. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, merci, bien, Alors, on se donne rendez-vous en 2024, Inch'Allah. Pour revue de presse. Effectivement. Voilà, très bonne année à toi. Euh, une très bonne année à tous nos auditeurs et auditrices. merci. bien. Alors, vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par moi-même Rabia Mekano et Habiba Ahmed. Poursuivons l'entretien sur l'historique de la chefferie du canton d'Ilela Oumani, situé dans le département d'Ilela, région de Tawa. ya kurai kanta ya fada ruwa shi kusa ya fada ruwa maka da ya fada ruwa kamar yanzu da ya zuntu a gaba da ya zaka ya iske shi kai ya iske kanta sai wari kanta ya sa shi gaba shi na tare da makaɗa suna ta yi suna ta yi suna ta hasun ka kai ruwa kanta fada ruwa a gaba bishi makaɗa bishi sun ka zo sun ka kame shi sun ce mai kai yaro mika kasu. ya ce mai kanka da in takobi ya sari kai ya ɗauko kai ya ci mai to amshi makada a ce a kai shi a gadis shi ko makada ya to ya zaka ya kawo shi ya ci ma dogare da mutane ku amsa ku rike kai gashi na kantana an ɗebe shi to shi yasa nan na ci mai to mina za ka ce mini kai ya ce ni ka san wani ke ka san ɗan sarki ke sai uba na aka da shi ya sarki amma ni ta kwana ba ni sarki ta sarauta ba ya ce mai to sai ka faɗa min kuɗin za ka yi sai ce kuyi koyi ta sha ma ko ya babba kurma ni an ma'ana kuyi koyi ta sha ma shi ɗan sarki ne kuma ya sa ya kashe babba basaraki kanta ya sa kubiya ta ce kan shi na agadis ko yanzu ka zo ka zo masa ga bisa wannan ganin su kana iske kanta kan kanta yaya tarihin dan barewa aka ce da aka washi tana da tara su aka binne ta ashe akwai ciki gare ta sai yaron daga baya aka ganshi bisa kabari kuma barewa take ba shi nuna da aka kiran shi dan barewa ko hmm. wannan mallami na ana ce mai dan barewa da ya to washi ta yi ciki sai Allah ya kama wakashi sai ta zambabu. to ana na ashe shi dan yana nan Allah ya sa shi na da rayuwa sai zamanto mutum ne wanda ya zamanto Allah ya yi shi in ya hito bakin wagga bakin kabri sai baliwa ta zo ta duka mai sai shi kawai baki ne nan kan baliwa shi sha shi sha nono in ya zo ya sha nono to shi kenan sai shi koma ta kuma in can da rana kuma ta tabi kuma ta koma ta zaka ta bashi har da yawa shi ya kai ya to ya hito ana na ana na ana haɗin kai ku kamo mana mutumin shi ne a kama shi ana na ana nan duk an ka abu sai shi zabur shi ɓoyewa te ana na ana nan hadda an ka kame shi ya zamanto ya to malami ne kuma sadauki kuma adali kuma ko da yaushe magana duk dai haka nan malami ne malami ya zan malami na koyar da shi karatu akai malam Allah ya koyar tun da cikin kabri hmm. haka ya taso mana mu dai haka mun ka ji ne kuma haka muka muka ji muka mun ka ji ba mu san wani wanda ka lokacin kanta ne lokacin shi agaba ne lokacin agaba ne aka yi shi dan barewa lokacin lokacin awon lokacin agaba na sun komo na sun yi nan cikin kasashen ga ko ba gani ba wani irin taimako shi dan barewa ya yi ma eh, agaba madalla taimakon da ya mai duk abin da za a yi shi za a yi shi ka ce mai yi kokari ka tai da kaza ka tai da kaza ka tai da kaza ko ina an ka zo kai na za ka ɗauka wanga ba ku da wanda ka tausa bancin kai to lokacin da shi agabba zai kai makanta yaƙi ba an yi magana cewa shi ɗan barewa ya buga mishi ƙasa na cewa ya kawo ɓungun gishiri wanda ya logaye cikin ruwan to shine zai ci nasara. Eh da aka bai tashi za shi kai makanta yakin nan sai ce mai to sai an kamin kantu biyu nan gishiri wanga an kasa suna an kanta wanga an kasa suna a gabba to ce a ta sa su ruwa su kwan cikin ruwa cikin rija. an ka dalma man ga giya ko an ka dalma man ga giya an ka zo an ka ruba su an ka aje su kwai su ya ta an ka zo an ka shayo kanta ya giya ta da ta yi zo ya narke shi ko an ka shayo aka batar tattara an ka dauko shi sai haske da shi sai ce mai a ta yi namiji ya faɗi kashi wannan dalili na mallan dan barewa C'était l'entretien du jour. Merci à Moutari Mahamadou et Al-Haji Zainadou Aliou de nous avoir fait découvrir la riche histoire de la chefferie de d'Ilela. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors Habiba, de quoi parle la rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui Rabi, nous irons à la rencontre de Alhaji Mohamedou Mebredi. Après avoir passé une partie de sa vie au Nigeria, il s'est installé à Bruninconi où il a créé sa boulangerie traditionnelle. Il produit du pain sucré appelé communément bread Nigeria. C'est un pain garni de différentes façons, très prisé par les voyageurs de passage à Bruninconi. Fanta Chamsou s'est entretenu avec lui. To suis un muna yin biredi mai kwakwa, muna peu ƙanana 'yan biyu wanda yake buƙatar command muna mai mai shakwala to kun ji irin aikin da muke tayarwa da kun kai shekara nawa kuna wannan to wallahi a takaice nan dai kwanni na kai kamar tun da milin naf da nake nan kwanni mhm. dan kenan kuka ɗauka shekara na wansu. to suwaye ne ke saye gare ku kamar kuna da dama masu zawa su ɗauka a wajen ku alhamdulillah alhamdulillah muna da kiliyan sosai wanda su suke zawa ma da kansu su ɗauka nan ko muna da wanda ake kai musu wanda suka san da shi kai a takaice garin kuma da kuka hito mai muna da kiliyan wanda kira ne suke daga nan a yi ambali a tura musu mhm. hakika kuna eh, aiki tare da matasa makamman matasa na kuke da hakikan a takaice yanzu dai ina da yaro a karkashi na yana kai sama da mutum goma sha bakwai wanda suke tare da ni dai ma'aikata kuma a nan dai ne kuke da ko kuma akwai wani wajen to hakikan da yanzu muna da niyya wani wuri za mu shi nan da yanzu muke da shi mhm. da ina kuke samun kayayyakin aiki a nan ne ko kuma wani wuri kuke zuwa ku dauko hakikan kayan mu na aiki yana hitawa ainihi kaman in ce daga waje muke samun shi irin su Nigeria haka akwai wanda suke fitowa daga China to wani kalubale ne kuke fuskanta a wannan halin musamman ma da zancen rufewar iyakar su najeriya to wallahi alhamdulillah akan haka ma mu dai wannan mun san insha allah hukumi mai wuciya ne liƙe iyaka hakikan ya dan taba kowa amma mu gare mu muna fatan dai insha Allah daga karshe alheri ne zai so wani kalubale kuke fuskanta ba to wallahi kalubale ɗaya shine wanda in muka sai kaya yau gobe idan muka koma sai a ce ya hau hawa shi kaɗai ne dai yake dan damu a cikin ta yadda ake kuma na biyu e kun san mu ba mu da ikon mu ce kai tsaye mu kara mutane kuɗi kama yadda mu ake mana ƙari to amma dai mun san komai insha Allah yana da lokaci duk dai harkokin riya iyakan nan shine ya ka haka nan mm. to da yake mutane da yawa sukan tsammanin kamar shi wannan burodin daga najeriya ma ake samun shi yawanci ma shi suke ce mishi burodin najeriya haka to me za ku cewa daga ta to sai dai mu ce mun gode ma Allah tun da yau mu ma a Nijar an samu yan Nijar wanda suke irin wannan aiki kuma sunan su ya huta mm-hmm. yanzu in kika ɗauka misali kamar yani akwai yara matasa suna ta kokari mu kuku da muke lalle hakika mun yi shi aikin nan a waje ne mm-hmm. to mu muna so mu dawo kasa mu ni na Najeriya ne aiki da mm-hmm. Eh, Merci Fanta Chamsou pour ce délicieux reportage. En tout cas, moi, je kiffe ce pain. Il est <laughs> moelleux, <laughs> je sais que tu aimes la nourriture, mais capte pour notre seconde pause musicale avec l'hymne à la jeunesse de la grande duva Fatima Rico. Ok. africaine là où l'on laissait par les martyrologues de l'unité africaine. Ah, Habiba, une chanson qu'on dédie à toute la jeunesse africaine qui nous écoute sur cette émission. Voilà, grâce à nos radios partenaires, Un streaming, sur notre site web. Cette chanson, c'est pour vous! cette chanson que l'on nomme affectueusement au Niger l'hymne de la jeunesse panafricaine était à la base un poème écrit par le nouvelliste et réalisateur nigérien Haruna Koulibaly. Il l'a proposé à la chanteuse Fatima Rico en 2001 et vraiment vu le résultat en chanson, c'était une superbe idée à vivre. À travers cette chanson, Fatima Rico voulait toucher la jeunesse africaine avec un message fort, les rappeler également les grandes figures inspirantes du panafricanisme. la grande diva Fatima Rico et son message pour la jeunesse africaine et panafricaniste. Surtout, il est 11h33 à Niamey et c'est l'heure de notre rubrique Écho des régions. Vous êtes nombreux à écouter notre programme à travers les radios partenaires, que ce soit la grande édition, les Niger, le Forum et FADA ou l'Actu de Jeunes. Et eh bien cette année encore, nous vous proposons un aperçu des coulisses de, notre, de nos productions. Et ce n'est pas toujours simple comme certains peuvent l'imaginer. Découvrez par vous-même. 5, 4, 3, 2, 1, euh, son. ai bai fono don ka daidai da ngwe ga er masala o ni sinda ta peaceful Nganda politiko dirawo nganda demokrasiyo nganda demokrasiyo che dirawo inganda demokrasiyo wo pa ai ga wana imu gaji niger furo nga bomber

Comment penses-tu qu'elle va Comment penses-tu qu'elle va devenir Comment, comment penses-tu qu'elle va tenir 5, 4, 3, 2, 1, 0, Mag 3. Mm, mm, Mag 2 gina. Oh, ko hay den kira Kala Merci monsieur Habibou. Ok, c'est à l'occasion du mois de Ramadan que nous tirons profit. Habibu, <laughs> Habibu da Allah masa, Habibu kai da Allah ka gafi. Kon nous laisse ah na gane yanzu. C'est à l'occasion Eh uwa matasa barkamu da yau barkamu sake kasancewa ta da ku a cikin labarin na yau Lahadi 12 ga Nuwamba shekara 2023. Ni Hawa Usman ina tare da Gora ta Rikiya Arimi. Gaida mu ne ya gaida ne. Ah, yau na ci ka ce abinci haka na. A'a. Ce mini Rakiya kina lahiya.

Si tu as un bienfaiteur reprise, si tu as, si tu as, si tu as, si tu as un bienfaiteur qui t'appuie, il faut vraiment t'investir dans le travail reprise. Si tu as un bienfaiteur qui t'appuie, il faut vraiment t'investir dans le travail sans considération aucune. C'est les enfants de mon défunt fils. <laughs> Une victime d'un accident de la circulation en partance pour je ne vais quémander personne. Je ne vais quémander auprès de personne.

C'était <laughs> les bêtisiers de quelques journalistes du studio Kalangu. Et chers auditeurs, vous l'avez bien entendu, c'est pas simple au studio. J'espère que vous avez rigolé comme nous. Habiba. Place à la page sport. Accueillons notre chroniqueur sportif Hassimi Gourouza. Bonjour. Bonjour, euh, bonjour Rabi, bonjour Abiba. Alors, euh, Grouza, quelle est l'actualité sportive d'aujourd'hui ah Oui, nous allons à Agadez euh, pour euh, voir ce qui se passe au niveau de la 44e édition de cette lutte. Nous sommes à la 7e journée des combats, mais avant d'en arriver au résultat de ce matin, Adam nous fait le point de la 6e journée. Adam, bonjour. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors, Grouza, finalement, on nous signale Adam à l'autre bout du fil. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour, Adam. Vous, pouvez parler un peu fort Bonjour Adam. Eh, Adam, euh, euh, nous sommes à la septième journée des combats. Mais avant d'en arriver au résultat de ce matin, Adam, euh, tu nous fais un peu le point de la sixième journée. Eh bien, Grouza, à l'issue de, de, la sixième journée, deux lutteurs sont tombés parmi les 14 invaincus de la cinquième journée. Il s'agit de Adiseni de Dosso et Bello Ila de la région de Maradi. Eh, Adam, nous savons que euh, maintenant euh, les lutteurs se sont un peu euh, georgés. Euh, pouvez-vous nous dire un peu le nombre de lutteurs invaincus pour les régions encore dans la course au sabre Alors, il reste 12 lutteurs invaincus, dont la région de Tawa qui a le plus grand nombre de lutteurs invaincus avec 3 lutteurs. Il s'agit de Zakirou Zakari, Nour Hassan et Hashim Chebou. La région de Tilaberi a deux lutteurs invaincus, Hafizo Hassan et Salah Maman. La région de Zinder a également deux lutteurs invaincus, Omar Abdouhadi et Issa Oudou. Niamey aussi deux lutteurs, Abba Ibrahim, Kabo Abdoulaye, Maradi, Dosso et Difa disposent de chacun un lutteur, Mathis Souley pour la région de Maradi, Itaka Itaka pour la région de Dosso et Mansour Issa pour la région de Difa. Adam, pour en finir, euh, quel est le programme d'aujourd'hui Alors ce matin, nous avons assisté à la dernière journée de combat entre les régions et la première rencontre a opposé la région d'Agadez contre la région de Tilaveri. Et, ce combat se sont soldés et, le résultat est de 6 victoires à 4 en faveur de la région d'Agadez. Cependant, notons également la qualification de deux lutteurs invaincus de la région de Tilaberi pour le prochain tour. Et à l'heure où je vous parle, la région de Grosso, opposé à la région de Maradi, vient de terminer. Isaka de et Mathis Soule de Maradi se sont qualifiés aussi pour le prochain tour. Ce soir, nous aurons Niamey contre Sawa et Difa contre Zender. C'est l'essentiel pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une analyse globale de cette 44e édition du Sable national. Merci Adam. Pour rappel, la finale aura lieu euh, dimanche prochain dans l'après-midi malheureusement. Nous, nous, serons donc, euh, nous, nous retrouverons le lundi pour euh, le bilan de cette 44e euh, édition du, championnat national de lutte traditionnelle. J'espère que je vais souhaiter bonne fête et de fin d'année à, à mhm. tous mes auditeurs de Studio Kalangou, les sportifs Merci bien, cousin. Merci bien, Adam. On se sent un peu à Agadez grâce à tes euh, comptes rendus. On se dit à 2024 alors. <laughs> Merci, merci, à vous aussi. Voilà. Alors, Habiba, après la page sport, mhm. Le portrait d'aujourd'hui nous amène au bord du fleuve Niger. Là-bas se trouve l'atelier de Zibo Munkaila, un piroguier. Il fabrique, répare et conduit des pirogues. Notre porteur Omar Hama nous dresse son portrait. A kan goydogo isa ke soga goga gurfa marton ga pontiyon yari zibo mu kaila kan siga ne sebu gogin ga kokaro kulte ga duga ga sandi wane mo a mantikala hino bundu kira sebu nangoyo wo tubuno ga a anir mandi matakan ana anagoyo wo sintinda. sentinda aywo man jinga sintinda kalkanceno jinga sintinda kanca bande ber ka ambaliya kara ambaliya bande son ne wara hibiyar gama sin hundi o ni sintin ka son jiri waran zakin dugu me watin yi ba bai wahi hibiyar no kan se kegete wodi ni ga dengandin da zari ka ga to hiyodin dumo ben hiyodin mo yeka ka wato kan ai baban hiyoyi dai izen ai mo ai ka sintin ka goiden dengiga Bakan sende sijan zibo mun kaila agoga tama gadu gine tijiyon kan ganan a wani izaira amdu borkan na tubu hite yon fonda wora. Wallahi go sanda ke go dia de kati masino kan se se kan giga go ga. Da da man tuwo din wai shigi di sende ku zamai go goi ai go go de wona wakan gi jere. Eto albora suba si den na go yona ni gonda ni zankera won kan gan tubu. ai gonda ifo de ne be go ke ka hika aman toy ono bodi amma agode fondara hi yon banda zibo ga hi hanse sumaila amanti kala sokole bor go isa cesoga kan be ga hanse ado ane kan nga ma agoyo kani walla albora agoyno ayo hi ka hanse se bumbo isino me ane hi carful aye ka hanse hanse mo agoyno donc angal bora imta se se de ngo an ngitele sirga manti danga hal ine ine no woler mo kan sa go ne gaba ir gaba mo go ka te se kulay man be kana mante i karyonga go no wallahi er koma ana won albarka inde da islamic heri karimu wo fandara zibbo mun kaila ana kware kango isa kesowo windigumo de go yowo wodi mona goginga woni almayalo yarinda C'était un portrait réalisé par Omar Hamma et c'est le groupe Joroji avec son titre Ténéré qui vient boucler notre playlist du jour. yalla yalla yalla don da gaske kai wani rawar bugaje cikin ta ne rawai muna hip hop ta ne re ka kai da gaske kai ka ga mu kan mu tare wai rawa kamin da sai har zuwa kamar mare ce wai muna hip hop ta ne re rawa ta gaske ta da na gaske ta da iyaye wai rawa kamin da sai har zuwa kamar mare ce yalla yalla yalla yalla don da gaske kai wani rawar bugaje cikin ta ne rawai da gaske kai Oh, I get my utashi rw'umukamushuna la jeunesse pour que la jeunesse renaisse, pour que l'espoir renaisse, pour que tout de

les actes de guerre sont enterrées. Je vous par le droit de l'homme est respecté. Je vous départ tous les miens sont décidés. Toujours l'espoir quand la pluie s'est libérée. Et les miens se solidaires afin la paix s'est installée. mal viens voir, viens voir, mal. On on titre Hip-Hop du grand groupe Jorodi, le groupe qui n'existe plus, mais qui avait fait danser euh, les mélomanes nigériens et euh, clairement qui continue de nous faire danser. <laughs> oui. Alors, Aviva Les du Kalangu se poursuit avec la chronique Loti. Aujourd'hui, elle s'intéresse au problème d'infertilité. Ce problème est avant tout individuel. C'est la femme qui se sent celle concernée et elle est la première à se <laughs> Voilà, elle est la première à consulter. Au Niger, selon professeur Madi Nayama, en 2019, à l'occasion d'un atelier, il a indiqué que la maternité Isaka Gazobi de Niamey, une maternité de référence, 9% de femmes consultent pour les problèmes d'infertilité. Cependant, les causes de l'infertilité sont nombreuses, selon les spécialistes. C'est ce qu'expliquent Rafika Taher et Mariama Diallo dans ce loti. là-bas qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm, je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jim, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. Es-tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens Gynécologue Là où je suis allée là, ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, L'infertilité primaire, c'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seul. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogues et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela. Hein, quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage, ma belle. Merci les filles. Aujourd'hui, dans la rubrique culture linguistique, Alamine Ouachar nous édifiera sur les mots panafricanisme. Le panafricanisme est un mouvement, une idéologie politique qui font la promotion de l'indépendance totale du continent africain. Il encourage la solidarité entre les Africains et les personnes d'origine africaine, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde, en faisant abstraction de leurs ethnies, leurs religions ou leur apparence physique. Au Niger, par exemple, on peut citer certaines personnes qui sont connues pour leur panafricanisme. Vous les connaissez certainement au vu de l'actualité de ces dernières semaines, alors je préfère taire leur nom. D'autrement, je crois panafricanisme, a ne tichit ne gafrique. Imos enemu, ite ogu, certes wekan el harwa da den nizam e kalen siaset, te zigu idem dakhti tinnit, e sit tagmad هروادي سسو هتروادا العلاقة تاجر كلا فريق جرزا وين تتهني ولا وين هنن تاما وين دغوري سواد دغدي النسن ولي الما والنسن ولا الحالة تنشينها المثال داني جار لان تيتي دن وين ستدني ناس انتني كلافريك استارت نشغل واتاقين دا دا تنكول موسن تاكول انشين تاقين دغتي الكامات ندانا تزدامتم ورقا كان دبرا غير يسمعوا C'était la rubrique Culture linguistique avec Alamine Wacha. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers les radios partenaires, les réseaux sociaux et sur notre site web www.studiokalangu.org. Écoutons quelques messages d'auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu studio Kalangu muna baku dubun gaisuwa da wata alheri muna jin daɗin shirye-shiryen ga naku. Liya mai shago na bakin likita dogon duci muna sauraron shi rediyo da lallan lokaci zuwa lokaci muna jin daɗin shi kai gaskiya shina muna Allah ubangiji shi tabbatar da alheri Allah ya sanya alheri Allah ubangiji kuma shi sa kun baɗi mu same shi lamu layiya muna nan bisa kai gare muna gaida Mustapha mai shago bakin likita ina gaida na. nasiru mai shago bakin likita ina gaida bube mai tafki bakin likita ina gaida aliyu bawa dalal ina gaida nasiru bakin likita ina gaida mala abakar bakin likita na gode allah ya saka da haira da suna na usman abubakar wanda aka sani da suna chapros shaf de garage nan tasha buza bakin rampoy lalle muna sauraren studio kalangu sosai kuma muna karuwa da labarun da suke bada sirtu da suna yi da labarunmu na gida muna jin daɗin shirye-shiryen da suke yi ɗari bisa ɗari bale shirin da suke fara na sha ɗai zuwa sha biyu da kowace attanin zuwa jima'a muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu muna tare da su sau da kawa insha Allah zan samu dama in gaida ko mutum biyar a cikin wannan rediyo na studio kalangu ina gaida buhari kabu-kabu da muttari babban direba da alhaji ambuka dan bado da ibrahima yaro bari ganin katara da yakubu na adamu da adamu assalamu alaikum studio kalam labarai matakir goma rai dai sai ban wallahi sai tare kulkwa iro yi aprese matakir goyin gai labarai no kwa sai ban iro yi barkan da labarai kigo borai no kan go borai na fakwa sai ban irgo sabu assalamu alaikum dama bugo da msha radio tan kalangu de misadar gana soda tagara zana artane kullu gara zana shagalanni tanumar tagara zana wulle wulle misadar gana taga da ikallan kullu sidar gana nas muna samun labari na studio kalangu muna jin daɗin sauraron shi a dukkan lokacin da kuke yin shi eh an tuka muna muna jin duk abin da kuke gayi kuma muna muna alfahari da abin da kuke yi muna jin daɗin faɗakarwar da kuke yi da sauran Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. cette émission du vendredi 29 décembre. C'est la dernière de l'année 2023. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Rabia Mekano. N'oubliez pas de suivre les journaux quotidiens en cinq langues de ce soir à partir de 17h. Rendez-vous l'année prochaine. Nous souhaitons une bonne année 2024 à toute l'équipe technique et rédactionnelle du studio Kalangu qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Merci également à nos médias partenaires, à nos correspondants en région qui nous accompagnent sur cette aventure qui continue en 2024. Bonne année!